Bonjour et bienvenue. Vous avez choisi Thierry Dakar pour vous informer. Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur. À Thierry Dakar, nous avons compris que le week-end, c'est totalement relax chez vous. Mais c'est également le moment choisi pour se rattraper côté information. À Thierry Dakar, nous avons également choisi de vous faciliter la tâche. C'est la une. C'est la une votre nouveau magazine hebdomadaire qui vous offre l'essentiel de l'information en raison d'une information par jour, sept à la une, l'essentiel de ce qui a fait l'information spécialement pour vous. Avec la magie de la machine à remonter le temps, Dakar vous aide à regarder sur le, viseur cette information choisie spécialement pour vous. Commençons donc par la fin. Vendredi, dernier jour de la semaine, quand nos enfants sont traqués et tués par des maniaques, cela installe la panique sociale. C'est donc une nécessité pour la magistrature suprême d'imposer son cachet officiel pour rassurer le peuple. C'est dans ce sens que la sortie du président Macky se justifie. La sortie du président Macky c'est également nos compatriotes qui sont tués à l'étranger, mais aussi le bilan six ans après son accession à la magistrature suprême. Suivons la synthèse. vous allez bien et vous êtes en duplex de Kigali au Rwanda où vous avez assisté au lancement de la ZLEC, la zone de libre-échange économique continentale, initiative de l'Union africaine. On va y revenir. Pendant votre voyage au Rwanda, euh, c'est une grosse actualité que vous avez laissé derrière vous, le meurtre du jeune Fallois Rufisque, avant lui un autre Fallois Touba, il y a aussi Marietou, 8 ans, violée et tuée à Mao. C'est la première fois que vous vous prononcez sur, sur le sujet, Monsieur le Président de la République. Oui, j'ai appris avec beaucoup de consternation et de douleur euh, ces raptes d'enfants suivis de meurtre. Euh, j'ai déjà donner des instructions le plus fermes qui soient au ministre de l'Intérieur, au ministre des Forces armées, pour que la police, la gendarmerie, que tous les, euh, disons, tous les services de sécurité de l'État, les renseignements, puissent se mobiliser pour traquer ces malfaiteurs et les traduire devant la justice. Aucune euh, facilité ne sera accordée à ces malfaiteurs et le Sénégal se mobilisera plus que par le passé, encore une fois, pour mettre un terme définitif à cette vague d'assassinats et de rapes d'enfants. C'est ignoble, c'est inacceptable et le Sénégal ne saurait tolérer cela. J'ai saisi l'occasion pour présenter mes condoléances, euh, en particulier à la famille de, de, de l'enfant Fallou Diop, qui a été la dernière victime, ainsi qu'à toutes les familles qui ont eu à souffrir de ces pratiques ignobles. Mais croyez moi, le président de la République, le gouvernement, prendront toutes les mesures qu'exige la situation. Oui. Macky Sall, il y a, y a tellement de, directions et agences de l'État qui sont dédiées à l'enfance, à la protection des enfants. On a l'impression que tout cela, ben, ne euh, ça semble pas efficace. Oui, vous savez, j'ai institué récemment le ministère en charge du mouvement de la petite enfance bien sûr associé à la bonne gouvernance, mais là, ce qui est en jeu, c'est non seulement la défense des droits de l'enfant et la protection, mais c'est aussi de veiller à ce que la législation soit revisitée au besoin, de sensibiliser tous les acteurs pour que le travail des enfants, l'exploitation sexuelle des enfants, toutes les mauvaises pratiques infligées aux enfants soient pas et aux besoins s'il faut légiférer, nous, nous, le ferons pour adapter davantage la législation au contexte acteur le président Macky Sall est notre invité sur RFM matin aujourd'hui. Hein, on va faire vite, on, fait vite euh, pour éviter les problèmes de liaison. Il y a les enfants il y a les émigrés sénégalais, la série noire qui se poursuit, deux expatriés sénégalais tués récemment en Espagne. Émotion et colère de, de la diaspora en tout cas. Vous savez, depuis que nous avons enregistré récemment le premier match en Italie, ainsi que les matchs qui ont suivi récemment en Espagne, les deux. Enfin, en tout cas, un match plus un décès. Nous attendons justement les conclusions des autopsies et aussi les conclusions de l'enquête. Notre gouvernement, euh, sous mes instructions, a saisi le Royaume d'Espagne, a convoqué l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal pour lui notifier la condamnation ferme du Sénégal face à ce traitement dégradant et inacceptable. Je pense que la réaction espagnole a été immédiate. C'était d'abord de veiller à ce que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé à Madrid récemment. C'est aussi un engagement de l'Espagne et de la mairie de Madrid qui a été qui a reçu euh, le directeur général des Sénégalais de l'extérieur, en compagnie du conseil général du Sénégal à Madrid, ainsi que de l'ambassade du Sénégal à Madrid, et qui a donc pris des dispositions transitoires, notamment en permettant aux, Sénégalais vivant actuellement à Barcelone de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de facilités. Évidemment, parmi ces facilités, il y aura la formation qui leur permettra une meilleure insertion dans le tissu économique de la ville, mais aussi l'accès à des soins. C'est dire que la police aussi a reçu cette délégation et s'est engagée à transmettre euh, les doléances qui ont été posées. Et de façon générale, l'Espagne a regretté. Nous attendons quand même les conclusions de cette enquête. Euh, je voudrais simplement dire par rapport à la diaspora que ça a été, la diaspora est une grande préoccupation dans ma politique. Euh, nous avons depuis que je suis à la tête du pays, développer un certain nombre de politiques d'appui pour l'insertion des Sénégalais de l'extérieur, aussi bien ici au Sénégal que pour l'appui des femmes, euh, n'est-ce pas, à l'étranger. Nous avons aussi développé beaucoup de d'accords et de conventions avec des gouvernements étrangers qui reçoivent des Sénégalais pour que la protection consulaire le renvoi des pensions de retraite ainsi que les conditions de séjour de nos compatriotes à l'étranger soient mieux prises en compte et nous continuons à le faire. Le ministre des Affaires étrangères suit particulièrement le sujet. Donc, je, veux vous donner l'assurance que le Sénégal sera toujours aux côtés de ses compatriotes, quel que soit euh, leur éloignement, quel que soit le pays dans lequel ils résident. Peut-être que tous ces émigrés et tous les candidats à l'immigration auraient souhaité rester au Sénégal si on leur avait proposé mieux. Monsieur le Président public, est-ce qu'il faut faire Ce qu'il faut faire, c'est ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire travailler et créer les conditions d'un développement interne. Et si vous voyez les efforts euh, réalisés dans différents domaines pour l'insertion des jeunes, en leur donnant d'abord des qualifications, ensuite en développant des projets qui, sont, qui soient capables d'absorber le maximum de jeunes, que ce soit dans les villes comme dans les campagnes. Euh, c'est ça aussi la réponse. La réponse, c'est une offre une offre alternative dans la formation, dans l'insertion, dans l'entrepreneuriat. En tous ces domaines, euh, mon gouvernement a initié récemment un certain nombre de mesures et de politiques qui permettent, pour ceux qui en tout cas souhaitent rester dans le pays, d'avoir des conditions minimales nous travaillons aussi avec certains partenaires euh, comme l'Espagne, qui est l'un des pays européens qui est le plus en avance d'ailleurs sur euh, la politique d'insertion en milieu rural avec euh, les fermes Natangé, qui sont des fermes, modèles qui permettent de retenir les jeunes. Nous continuerons ce travail puisque évidemment il y aura toujours une émigration. Ce qui est dangereux, c'est de pouvoir laisser des bandes de trafiquants là aussi vendre une illusion et vendre la mort à ces innocents qui finissent leur vie dans le désert du Sahara ou en tout cas au fond de la Méditerranée. Nos gouvernements y travaillent, l'Union africaine y travaille et nous avons véritablement des alternatives, les domaines agricoles industriels, les parcs industriels. Là, tout à l'heure, avant de quitter pour Dakar, j'ai visité le parc de Tigali. Vous savez que c'est la même compagnie qui va démarrer ces travaux prochainement à Dakar, à Diamniadio. Ça va pas être moins de 2 000 à de emplois. Et ça, la réponse que je suis pour la jeunesse de notre pays. Parlons rapidement de, la ZEC, la zone de libre-échange économique continentale, lancement de ce projet de l'Union euh, africaine, lancement à Kigali ou au Rwanda, 44 pays ont signé et donc à terme les frontières commerciales, douanières entre pays africains vont, sauter. Il y en a qui, attendent de signer, on, retient surtout la réticence euh, du, Nigeria. D'abord, euh, je voudrais signaler l'importance de l'acte qui a été pris à Kigali après la création de l'OIA en 1963, la création de l'Union africaine en 1999, nous voici euh, aujourd'hui à Kigali pour euh, signer un acte majeur, la création de la zone de libre-échange continentale. Le commerce intra-africain est resté très faible, presque 11% des échanges entre l'Afrique et le reste du monde. Alors qu'avec cette perspective de zone de libre-échange, d'une euh, union douanière, nous pourrons booster ce commerce au sein de l'Afrique à plus de 52%, et ceci en levant les barrières douanières, en facilitant les échanges, en développant aussi l'infrastructure entre nos pays, et surtout en évitant des barrières euh, non douanières qui sont également des facteurs de protection induite. Bien entendu, tous les pays n'ont pas les mêmes niveaux de développement en Afrique, nous en sommes conscients. Et cet, cet accord, il est progressif il est inclusif et il permet à chaque pays de protéger un certain nombre de secteurs sensibles d'ici, et cela est échelonné. Par exemple, le Sénégal n'a pas voulu signer l'accord sur le transport aérien, puisqu'aujourd'hui, nous avons en Afrique trois à quatre pays qui, ont, dominent ce marché. Nous venons de relancer notre compagnie nationale, nous avons besoin d'une mise à niveau, peut-être ça prendra cinq ans, pour nous permettre vraiment de, rentrer dans, ce, dans cette... Euh, compétition du, trafic aérien africain. Sur l'industrie également ou les productions, il y a des, des situations qui peuvent se poser et le ministère du Commerce, dans le cadre des négociations qui vont suivre cet accord, parce y aura des annexes, un certain nombre d'annexes qui font partie intégrante de l'accord, mais qui seront négociées, et c'est là où tous ces détails seront faits. Donc, je pense que le plus important, c'est que l'Afrique prenne en main son destin et que l'Afrique travaille véritablement pour son unité qui aboutira, comme les pères fondateurs l'avaient souhaité, et comme d'autres penseurs comme chez Ante Diop l'ont théorisé, d'arriver vers les États-Unis de l'Afrique. C'est un long processus, mais la FEDLEC va être euh, un adjuvant essentiel pour cette marche de l'Afrique euh, vers son unité. Pour le Nigeria, pour le je pense que c'est un pays important. Euh, il faut essayer de comprendre les motivations je ne peux pas critiquer le Nigeria, mais je suis convaincu que le Nigeria prendra le train en marche. Oui, mais euh, le président Macky Sall, on va, on va encore aller, plus vite. Votre protocole nous bouscule et je rappelle qu'il y a des sujets que vous promettez d'évoquer avec nous une prochaine fois, notamment les sujets politiques. Euh, on en a discuté avec votre service de communication. Merci en tout cas d'avoir accepté euh, cet entretien. Mais monsieur le président public, dans deux jours, un, un anniversaire pour vous, vos six ans à la tête du Sénégal, votre bilan, on vous reproche tellement de choses, la justice, le social, il y en a qui ne, sont pas contents de vous. Mathis Ligueyoul euh, entend-on dire parfois, euh, vous êtes satisfait de votre travail Vous savez, il appartient aux Sénégalais d'apprécier mon travail. Je ne peux pas moi-même m'auto-évaluer. Mais si je dois simplement, objectivement aussi, euh, évaluer ce qui a été fait en six ans par rapport à ce qui a été fait avant, puisqu'un bilan, c'est aussi en avant et en après, euh, je crois que le bilan, il est, globalement très positif, puisque la preuve, c'est d'abord notre croissance économique, mais c'est surtout les politiques d'inclusion sociale. Et ça, c'est un marqueur fondamental de ma politique. L'inclusion sociale, le soutien aux populations démunies, le soutien au pouvoir d'achat. Rappelez-vous quand même, depuis 2012, les prix des denrées n'ont jamais connu d'augmentation. ça, ça c'est inédit au Sénégal. Rappelez-vous les problèmes euh, de l'électricité dans notre pays qu'on a connus avec toutes les émeutes. Aujourd'hui, c'est derrière nous, définitivement. Rappelez-vous aussi le grand problème de la Casamance. Je crois que sur ces questions, on peut être fier de ce qui a été fait, mais moi, mon ambition est beaucoup plus importante que ce que j'ai déjà fait. Mon ambition, c'est de faire du Sénégal véritablement un des grands pays africains en matière de croissance économique, d'émergence et en matière de modernisation mais tout cela dans une politique véritablement inclusive et dans un état de droit. C'est pourquoi nous sommes sur le chemin, nous n'avons pas fini de travail, mais nous pouvons, si nous devons comparer par rapport au passé, évidemment être fiers par rapport à ce que nous avons fait. Mais nous restons encore motivés plus pour l'atteinte des objectifs, tels que d'ailleurs je l'ai dans le PSE. Il appartiendra aussi à ceux qui viendront après moi de poursuivre cette œuvre. Parce que euh, c'est une construction continue merci <laughs> monsieur le président de la république euh. mais bala lay bàyyi euh, président Macky Sall tout ci ci wolof laata ñuy tàggoo ndax sa gars ñu ñuy buux né nañu nanu baral yëf yi euh, te itam amna ci ñu waroon a junjoog yow ci walu politique ak ñom sen waaye dig ngeen ñu né benen yoon ñu sobu ci waaye mu na solo ñàkk wax ci li nga xamni mom nga bàyyi sa ginaaw ba nga démé Rwanda mooy coowal xalé yi ñuy faat ci ci ci dëkk bi gis nañu fallu ci ca Tëngéej ñu ko fàllu laata mom ci Touba geneen gone gu ñu naan juróom juróom-ñetti at xale bu jigéen ñu euh, sàkk ko faat ko ca mbaaw waaw Babacar jërëjëf euh, fi ma toll ci Kigali euh, am na naqar bu metti ci xol ak tiis ci li nga xam ne ñu ngi koy gis fan yi muy lu ñaaw lool lool lool jëm ci ay xale yi ñuy jàpp ñi ñu leen di rey wala ñi ñu leen di mettital ma wax ne loolu dinañ ko arrêté définitivement ndax wax na ministre de l' intérieur ak ministre des forces armées lépp luy karange ak ay capacité muy police muy gendarmerie muy service de renseignement nañ ko mobiliser ci dëkk yëpp nag ci biir Sénégal bu ñu bàyyi benn dëkk te fépp foo xam ne ñu fay néewal doole ndaw ñi wala tout tànk yi ñu mën a teg loxo si ñi nga xam ne ñooy def loolu ndax li du diine du lenn loo xam ne xalaat mën na ko may wala aada mën na ko tolérer kon maa ngi jaale ñi nga xam ne ay wayjuru euh, Fallou Diop lañu di jaale képp koo xam ne euh, am nga tiis bu boo xam ne ci lu mel ni la jógee waaye di leen xamal ne incha allahu Sénégal dana taxaw nguur gi dana taxaw pour arrêter lépp lu yàq ci euh, luy gaañ xale yi wala di leen nafaxal te loolu dootuñ ko mën a nangu ci biir Sénégal jërëjëf président Macky Sall ci ci waxtaan wi. jërëjëf yéen doog jàmm ba beneen. merci beaucoup. merci Matin. élections démocratiques étaient dans les rues dans la banlieue. Entre autres, Pape Diop, le docteur Cheikh Dian, Waressar, ou Marsar, pour ne citer que cela, ont fustigé la gouvernance du président Macky Sall. Le mémorandum collectif lu par Amadou Sall parle de tripatouillage de la Constitution. Regardons ensemble. De l'initiative pour des élections démocratiques se félicite de la forte mobilisation des populations de la région de Dakar. Elle remercie vivement les citoyens et citoyennes de Pékin et Guédiawaï qui ont démontré leur détermination à engager le combat pour un processus électoral consensuel permettant la libre expression du suffrage populaire. Cette forte mobilisation des militants et militantes rassure les leaders sur la justesse de leur position et sur la nécessité de continuer le combat jusqu'à la victoire finale. La conférence des leaders est plus que jamais décidée à mener le seul combat qui vaut tous les sacrifices pour permettre aux Sénégalais de choisir librement leurs représentants à la suite d'une confrontation loyale, transparente, dans le respect des règles démocratiques propres à une société libre. Macky Sall et son régime ont décidé de passer en force et tente d'obtenir un improbable second mandat en tripatouillant la Constitution pour détourner le suffrage des Sénégalais et violer leurs droits. C'est ainsi qu'après avoir honteusement et unilatéralement rompu le consensus sur le processus électoral, Macky Sall, prenant prétexte d'un dialogue totalement biaisé, a décidé au dernier Conseil des ministres tenu ce lundi d'instituer le parrainage à l'élection présidentielle et entrepris de modifier le code électoral contre l'avis de l'opposition unie au sein de l'initiative pour des élections démocratiques. Devant cette situation toute nouvelle, de nature à entraîner notre pays dans une zone de turbulence, tant ce projet de confiscation des suffrages des Sénégalais heurte leur conscience. La conférence réévalue la nature et les formes du combat à mener et tient d'ores et déjà Macky Sall personnellement responsable, pour responsable des conséquences désastreuses de toute manipulation et tripatouillage de la Constitution de la République. Ainsi, pour préparer la riposte proportionnée des populations, les leaders ont décidé de reporter la manifestation prévue ce vendredi à la place Washington devant le ministère de l'Intérieur et invite les militants, les sympathisants, les démocrates et les membres de la société civile à se tenir prêts à un rassemblement de masse devant l'Assemblée nationale pour défendre leurs droits et la, souveraineté du peuple et manifester leur ferme opposition au viol de leurs droits démocratiques et, euh, et pour des euh, et pour la libre expression de leur suffrage. La victoire du fils du président Abdoulaye Ouad contre l'État du Sénégal à Paris, auréolée de gloire par le Parti démocratique sénégalais à travers son comité directeur. Aujourd'hui encore, Karim Ouad demeure le seul candidat déclaré du PDS, même si son éligibilité est mise en cause. Sersa euh, Diboufal au micro de Faramendi le comité directeur salue la victoire de notre candidat Karim Wad dans la procédure initiée à Paris par Macky Sall. Cette énième victoire contre les 20 tentatives de Macky Sall de l'écarter de la prochaine élection présidentielle constitue une preuve supplémentaire de ce que tout le monde savait déjà. Notre candidat a non seulement le meilleur profil, mais il est établi qu'il a exercé les responsabilités de l'État qui lui étaient confiées avec compétence, honneur et dignité et n'a jamais puisé dans les caisses ou géré comme Macky Sall au bénéfice de la famille, du clan et des amis. L'Assemblée nationale ce mardi était en ébullition. Waressa et Anna Poubaï, Gomis, deux parlementaires, ont failli en venir au mains. Il en a fallu de peu pour qu'elle se crêpe des chignons. La pomme de discorde, les taxes des boissons élargies au jus de fruits. Amadouba faisait face aux parlementaires pour la réforme du code des impôts. Revivons ensemble une journée saute en empoignante. Mesdames et messieurs, chers internautes de Thiers merci d'avoir suivi votre magazine hebdomadaire C'est à la une. Merci de nous retrouver la semaine prochaine pour notre numéro de votre magazine C'est à la une. Un grand merci à Farah Mendy qui a assuré la technique de cette émission. Au revoir.